Ce ñu fi rapport parce que depuis février nous avons recruter mais nous avons rencontré un ay problème problème yi ci salaire parce que nous avons six mois de salaire. mai juin salaire Nous avons père de famille et mère de famille dañuy joxe dépense dañuy fay ay scolarité pour suñu euh, njabot loolu dal euh, moy sabab bi nga xamné ne dajlé fi dajale li ci des mooy euh, état dafa respecter engagement yi engagement yi bi ci top bi ci la prise en charge par rapport à la couverture maladie